Bonjour, Bonjour, euh, cher Valette. Euh, ces temps passés, vous avez bien suivi les cours en ligne euh, proposés par euh, le public de SVD et c'est au niveau C'est dans cette perspective que nous sommes là pour vous euh, Avant de passer, je pense que vu le contexte dans lequel nous sommes,

Mais si surtout de rester à la maison, c'est vraiment sympathique au sort. Alors voilà, on le fait ensemble. Je pense qu'on peut tous réussir à se protéger de cette année là Après cela, je vais euh, d'abord vous présenter et présenter les encadreur. Moi, c'est Boucher Baron, je suis professeur de la au CEU. Et euh, accompagné du formateur en SVT, le directeur de l'Union et de M. Pio Issaoui, euh, il est notamment professeur de SVT au CMOE, et de M. Diouf Malik, qui est absent aujourd'hui, professeur au SVT. Alors, comme je vous l'avais dit, quand vous suivez les cours passés, il y a le thème sur l'immunologie qui a été apportée par M. Diouf et M. Diouf. Alors, M. Diouf, particulièrement, il nous a parlé des notions, il nous a parlé des notions Il nous a parlé également des barrières barrières Il nous a parlé de cette notion un Niger et Gaïa. Alors, qui va nous rappeler ce que c'est qu'on a Niger. J'imagine que vous allez en le de Alors, on a déjà été simplement, quand vous avez bien suivi ce cours, c'est tout élément étranger qui entre dans l'organisme et susceptible de déclencher de réaction On dit que c'est un ami Maintenant, une barrière naturelle, maintenant, vous avez cité deux barrières si vous l'avez bien. Vous avez cité la haute barrière naturelle également les dépresses. Donc voilà les deux barrières en et ces notions qui sont bien abordées dans la Maintenant, lorsque un indigène donne, franchit une barrière naturelle, que ça peut être la peau, ou bien la luteuse ou bien une luteuse, alors quand une barrière naturelle franchit, quand on indigène, franchit une de ces barrières naturelles-là, pour délivreuse, ça donne quoi Ça donne naissance à une Aujourd'hui, nous allons parler d'une infection, particulièrement dans le cas du VIH. tá? Seigneur. Caractéristique de l'infection au VIH, Seigneur. Alors, dans cette séquence, nous avons comme objectif d'identifier Avec le Cameroun, 11%, euh, Centrafrique, 12%, Zambie, 21,5%, extra, Voilà, voilà donc euh, les pays d'Afrique euh, où la maladie se plus. Alors, ça c'est également en Europe. pour dire que ça n'a épargné le continent avec 1 million de cas. Et en Asie, 1 million de cas. Voilà donc, on dit donc le sida. pourquoi on dit que le sida est une maladie pandémique. Parce qu'il n'y a pas que ce pays du monde qui le pied qui est épargné. Voilà. Nous allons également voir le, bus virus en arrière le virus. Voilà. Là, c'est ça le virus, le, virus de vih Voilà, ça c'est ce mange. Alors, c'est avec ça maintenant. Alors, lorsque le, bus, le virus, c'est un là intègre mon organisme vivant, alors va maintenant entrer une infection et va donc euh, euh, déclencher une qu'on appelle le sida. sans plus tarder, aborder la deuxième séquence. Aborder la fois passée, lorsqu'il fallait de. Vous savez, lorsqu'on indigère, on indigère, traverse une barrière naturelle, hmm? lorsqu'on traverse donc une barrière naturelle, naturellement, l'organisme ne se laisse pas, ne se, laisse pas les bras croisés. L'organisme Il y, a, il y a maintenant, à ce niveau, deux types de Il y a la phagocytose d'abord, la première réaction de l'organisme, mais il y a également la production L'organisme, d'abord, après cette réaction, elle va déclencher la seconde réaction qu'on appelle la protection de la corps. Donc l'organisme va produire des anticorps excessifs pour détruire l'antigène en cest la vie qui est à l'origine de l'infection. Maintenant, pour euh, chercher, pour vérifier maintenant si la personne est malade ou pas, alors ce sont ces anticorps-là qu'on cherche leur présence ou leur absence dans l'organisme. Dès que les anticorps sont présents dans le sang de l'individu, on dit automatiquement que la personne est séropositive. La, personne est séropositive. Hein. Et que la personne est séropositive. Par conséquent, cela signifie quoi Que déjà, le, virus est dans son organe, dans son organisme. Et pas dans son organe. Parce que les âmes, les âmes, alors, c'est-à-dire les anticorps anti-VIH, anti ce sont ces âmes là qu'on a injectées dans le sang pour nous aider contre la personne est sérieuse. Maintenant, si on fait le test, on voit que effectivement, il n'y a pas, il n'y a pas ces anticorps-là. On dit donc tout simplement que la personne est sérieuse. Mais, là. Euh, combien va Donc, c'est positif signifie une présence d'un corps dans l'organisme. Alors, c'est le négatif, c'est une absence d'un corps dans l'organisme. Voilà donc ces deux concepts qu'on voulait éclaircir à travers donc, cette séquence. Alors, c'est bon les on va maintenant Maintenant, nous avons abordé la, la troisième séquence, la séquence la, la, la,

Nous sommes ensemble. Je vais aller et ces écrits vous sortir les conséquences de l'infection euh, au Alors, quand vous voyez le document, je analyse le document et vous regardez par la même façon. N'est-ce pas Alors, là, hmm, diminution du taux de célestate est survenue des infections Là, c'est l'axe des axes où c'est mentionné le temps. Vous voyez deux groupes. celle en vert et l'autre en rouge. La première en vert décrit l'évolution des CD4. Les CD4 ou bien encore CD4 ou bien encore l'infrastructure lymphocyte étape. On va la appeler le charge. Alors l'autre maintenant en rouge décrit l'évolution de la charge virale. L'évolution de la charge virale. C'est celle en rouge. Je vais voir faites, Et l'autre maintenant, c'est de la couvre en vert qui dit l'évolution des élèves et des investisseurs On demande de miser le début de l'évolution. Alors qu'est-ce qu'on voit On voit au début de l'infection. C'est l'origine, n'est-ce pas Au début de l'infection, nous voyons que après l'infection, bien sûr, vous voyez que la salle spirale, parce que la salle spirale qui est ici à l'enfer augmente rapidement et de façon très sensible alors plus maintenant, euh, d'une minute ensuite progressivement en quelques semaines. En quelques semaines, alors la salle spirale initialement faible, augmente rapidement à atteindre mais également diminue rapidement avant pour, quelques Et puis maintenant, elle perd une valeur constante, elle perd une valeur, une valeur constante jusqu'au jusqu'au euh, jusqu'à 4 environ, où maintenant le virus commence encore à se réveiller pour déclencher encore son activité, ça commence à se multiplier encore. Euh, Regardez parallèlement ce qui se passe. Parallèlement, alors, le nombre de, de, de, c'est-à-dire les cd 4 qui est initialement très importante, n'est-ce pas, alors commence à baisser progressivement. Le nombre de linfo cd commence à baisser progressivement. Et qu'est-ce que vous remarquez Après 8 ans de l'infection, alors on voit que le nombre de Galiléen ici, on vous dit la première infection, c'est-à-dire la première, des premiers semaines de l'infection. là donc, il n'y a pas de signe de maladie. Il n'y a pas de signe de maladie. La personne, jusqu'à vers 2 ou 3 ans, la personne est infectée du sida, mais il n'y a pas de signe de maladie. Alors, regardez la deuxième phase, qu'on appelle la phase la, phase asymptomatique. La phase symptomatique. Autant La phase symptomatique. Alors, c'est pendant cette phase maintenant où la quantité de lymphocytes T4 a drastiquement baissé qu'on commence à voir donc plusieurs maladies qui commencent à se développer. Beaucoup de maladies commencent à se Tout cela sont des maladies qui commencent à apparaître comme vers, donc, euh, vers la quatrième année de l'infection Et maintenant, c'est vers le qu'on parle maintenant de sida déclaré là où la carte de l'infection est complètement nulle dans le monde. Alors, en les voilà donc l'analyse du document. Maintenant, on va expliquer encore plus davantage. Euh, le virus du sida, comme vous l'avez vu en dimanche. Lorsqu'il est homoganisé, il a des cellules cibles. Des cellules cibles. Et les cellules cibles, comme vous l'avez vu ici, ce sont les lèvres tâches. ou bien encore, ou cérétales. Les lèvres tâches, encore appelées cérétales, Monsieur Diouf, euh, largement revenu là-dessus. Ce sont eux euh, les coordonnateurs. Ce sont eux les coordonnateurs. De la, euh, de la Ce sont eux qui coordonnent la lutte, c'est-à-dire la réaction de l'ONU. Ce sont ces, les qui sont les coordonnateurs. Quand on fait une petite comparaison avec ce qui se passe dans la sécurité de l'État, il y a toujours ce qu'on appelle les généraux. Bon, si je ne sais pas c'est comme ça, il y a des généraux qui sont tous en avant. Ensuite, ils donnent maintenant des ordres, ils donnent des stratégies de lutte. Ils déclenchent, ils décrivent des stratégies de lutte, ils donnent également des ordres. Et maintenant, les autres, maintenant, qui sont les négats, alors qu'ils exécutent cest en place ces offres stratégiques qui sont donc déclenchées, définis par les, jeunes. C'est cette maladie qui s'est dans le Les lingues là sont les portes de la Alors ils donnent les ordres à qui Ils veulent qu'on les B Les CB, les l'autre, on avait dit ça. Monsieur du il bien que ça. Ce sont eux qui produisent les animaux. Les B produisent les animaux. Il donne des à qui également ayant aux, aux cellules phagocytes. Aux phagocytes. Aux phagocytes, comme les polypes. Hein? Il donne des, des, des, des hommes donc aux lymphocytes, aux lymphocytes, je m'excuse, aux lymphocytes T Donc, maintenant, les autres exécutés vont permettre aux l'indice B de produire des anticorps et des anticorps là, donc, vont, euh, attirer la réponse, la réponse immunitaire SP. C'est bon. Alors, maintenant, le virus du le virus VIH du sida, alors lui, il s'attaque directement au génome en les éliminant progressivement. Et cette élimination progressive des généraux, c'est ça qui se traduit ici en vert L'action donc du VH va entraîner une baisse, une élimination progressive des éléments, bien C'est ce qui, ce qui est traduit ici en Vous Voyez, maintenant, lorsque ces généraux là sont éliminés, alors les autres qui devaient exécuter n'auront plus de réponse et ils sont là. Même s'ils sont là, mais le présence est passé ils n'ont pas, le d'or, de produire des anticorps, mais ils n'ont pas le succès également de, de, phagocyter. Alors que c'est des cellules qui sont là, qui n'ont plus, euh, quoi faire. Et maintenant, c'est à ce niveau maintenant que l'organisme se trouve complètement dépourvu de son système immunitaire. Alors, pourquoi on, dit le dysfonctionnement Le système immunitaire complètement triste. Alors, c'est euh, ça l'objectif de la science. Il faut bien savoir analyser un document, également de l'interpréter. Ce que je suis en train de faire une c'est l'interprétation et, et euh, euh, résultats que vous voyez dans donc il y a laissé l'État, comme je le dis, ni progressivement, et ni nul Alors que là, la salle spirale, le premier jour de l'injection, augmente à un et diminue rapidement avec ce puis maintenant vers cette valeur pendant 4 ans environ. Maintenant, elle s'est son Et c'est pas cette relation maintenant que les lymphocytes vont complètement euh, diminuer dans l'organisme. Et maintenant, l'organisme se trouve dans une situation de parce que les généraux qui devaient coordonner la lutte alors sont éliminés, ne sont plus là. Donc les autres sont là, mais avec une présence vraiment C'est bon Et les transmissions du VH et le moyens de prévention. Ça, nous avons déjà abordé ces à savoir les caractéristiques de l'infection au VIH. qui sont des caractéristiques infection virale, c'est-à-dire causée par un virus, mais également celui endémique, c'est-à-dire qui est à répartition, donc qui est à répartition. Nous avons abordé les notions de séropositivité et séronégalité. Séropositivité et séronégalité signifie tout simplement la présence ou l'absence corps, anti-VIH dans le sang de l'individu. En cas, au cas où 20 corps sont présents, on dit donc que la personne est séropositive. Si les 20 sont absents, on dit que la personne est séronégative. Alors, concernant de séquence la troisième, sont euh, l'immunodéficience et les maladies de L'immunodéficience, donc, est causée par quoi Est causée par le virus qui s'attaque donc au lymphocytes comme l'a vie. Le virus s'attaque, les cellules cibles du virus, ce sont les mêmes Et ce sont eux qui coordonnent la lutte, euh, la, réaction de l'organisme. Parce que les liens de 4 qui devaient donner l'ordre aux autres cellules donc sont détruites, donc il n'y a plus d'ordre. Donc euh, la, euh, la défense de l'organisme est complètement Maintenant, l'organisme se trouve dans une situation diminuée nous l'avons expliqué dans la partie. Maintenant, sachant tout cela maintenant, il est important de se dire comment, comment se transmet le sida et comment se prévenir. C'est pourquoi cela va nous conduire, plonger dans la préférence, la transmission. La transmission. Le VH et il moins, les moins de deux. Alors, nous avons Comment donc se transmet le VIH Vous m'entendez Alors, la transmission du VIH se fait généralement par ces trois par ce qu'on appelle la voie sanguine, par la voie sexuelle, mais également par la voie par la voie vous savez, l'utilisation de cours euh, d'objets, alors souillés, euh, de deux individus pour se partager ensemble. Cela donc, euh, le fait de ah, passer par la voie, pour Par exemple, l'utilisation de la voie, l'utilisation des, outils, etc. Par la voie c'est vous savez, mais également par la voie même enfant. Voilà euh, généralement les moyens dans du village. Mais ici, il faut noter que vraiment, euh, la médecine a fait beaucoup de Parce qu'on pas se voir avec enfants, c'est généralement pendant l'accouchement et pendant la l'allaitement. Et pendant l'accouchement, alors avec les recherches, vraiment il y a eu beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, presque le je ne dis pas qu'il y a zéro risque, mais le risque de transmission de mère enfant pendant l'accouchement, vraiment le risque est très faible. Parce qu'on peut, avec les visites, bien sûr, les visites médicales, des visites de la mère et sérologiques, les visites, les donc, euh, que la mère a effectuées, et quand elle va atteindre, euh, en famille, avec tout cela, les gens vraiment peuvent prendre ça à chaque de sorte que l'enfant donc, sans faute, problème sans question. Donc, voilà donc les voies de transmission du bus ISF. La deuxième, c'est maintenant comment prévenir et l'idée de, partager des objets que Là, on va voir, mais ça rien. Tout objet pourra donc être utilisé par des personnes. Objet, c'est extra. Alors, euh, ça, il faut vraiment maintenant et ça. Voilà donc, euh, en gros, ce qu'on appelle les moyens de prévention et moyens de prévention de dégâts. La science, l'affinité d'un groupe, l'utilisation de

Thank you. Amen.

maladie A à 28 jours d'intervalle. Lors de la deuxième vaccination, cet enfant a reçu également un autre vaccin contre une maladie B. Après ces vaccinations, on mesure la variation de la quantité d'anticorps anti-A et de la quantité d'anticorps antibé qui apparaissent dans le sang de cet enfant. Alors, vous savez que lorsqu'on reçoit un vaccin, il n'est rien d'autre qu'un micro un antigène atténué. L'organisme réagit produit suite à la première et à la deuxième vaccination. À la deuxième question, on vous demande de faire la comparaison de l'évolution de la quantité d'anticorps anti-A après la deuxième vaccination à celle de la quantité d'anticorps anti-B Alors, la troisième question, on vous demande d'expliquer les différences constatées dans cette comparaison. Quatrième question, on vous dit, en dépendant de la réponse A à la question 3, en dépendant de la réponse à la question 3, quelle propriété du système immunitaire est ainsi mis en évidence. Nous allons donc passer à l'exécution de la première question. Là, on nous demande de décrire l'évolution de la quantité d'anticorps anti-A suite à la première injection et à la deuxième injection. Alors, quand on nous demande de décrire, l'anticorps après cette injection. La production d'anticorps n'a pas commencé au premier jour de l'injection, mais on est resté deux à trois jours après l'injection que la quantité d'anticorps commence à apparaître, dans le sang de, l'enfant. Et cette quantité d'anticorps hein, produite n'est pas aussi importante. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est quoi La production d'anticorps, elle est active hmm, et elle est limitée. Mais à la deuxième injection de l'antigène A, on remarque automatiquement une augmentation considérable de la production d'anticorps. Et cette augmentation, elle est, elle donc, pour la deuxième question, question 1, il s'agit de décrire l'évolution de la quantité d'anticorps à la première injection et à la deuxième injection. condição est plus importante que la quantité d'anticorps anti Deuxième question. La quantité importante e pouco que importante. Alors, ici, qu'est-ce qui explique que cette quantité d'anticorps anti-A est plus importante que la quantité d'anticorps anti-A, antigène anti Alors, à la première injection, l'organisme, n'est-ce pas, euh, a pris du temps à connaître l'antigène et a commencé à produire des anticorps. Après produisant des, anticorps, l'organisme produit en même temps des cellules immunitaires qui sont capables de garder la mémoire, n'est-ce pas, de la légère Qu'on appelle les lymphocytes, hein, les, cellules, les cellules mémoire. À tel point que si l'antigène revient, l'organisme a la capacité de déclencher rapidement une production d'anticorps très importante, très, très importante. La que Ah. C'est j'aime. pour la deuxième fois, la aprisionado igual du système immunitaire qui est mis en évidence. Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur notre réponse, 3. Alors, à la réponse 3, on, dit, on, sait que cette différence relève du fait que l'organisme rencontre pour la deuxième fois l'antigène A et pour la première fois l'antigène B. L'antigène A qui rencontre pour la deuxième fois donc, L'organisme dispose de cellules mémoires qui ont gardé les caractéristiques de de l'antigène. À tel point que si l'antigène A se présente, ces cellules mémoires vont se multiplier rapidement et se transformer en lymphocytes, n'est-ce pas Ils vont produire une grande quantité d'anticorps d'anticorps n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, protéger l'organisme contre Par contre, pour l'antigène pour l'organisme n'a jamais rencontré. L'organisme va prendre du temps à, n'est-ce pas, connaître les caractéristiques et à déclencher, n'est-ce pas, une, une production Ici donc, on comprendre que l'organisme a la capacité, l'organisme système immunitaire a la capacité de garder en mémoire les antigènes qu'il a déjà rencontrés. Et cette capacité de garder en mémoire les antigènes rencontrés, ceci, ceci est appelé la mémoire immunitaire. C'est donc à la question 4, la propriété resistance militer la capacité de le, la catena di oro